Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des séries de forums sur la lutte contre le banditisme armé dans la bande ouest du Niger, la paix et la cohésion sociale tenue dans les régions de Maradi, Tawa et Tilaberi. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur le rapatriement de par deux vols de 1063 Nigériens mendiants dans la rue de Dakar au Sénégal en début à deux week-ends. L'actualité, c'est aussi l'inauguration de deux amphithéâtres au sein de l'université Abdou de par le chef de l'État Bazoum Mohamed à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de la dite université. Nous terminerons avec euh, du sport avec la qualification des cinq pays africains à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit du Ghana, la Tunisie, le Sénégal, le Maroc et le Cameroun. Pour euh, commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir euh, de recevoir dans ce studio Arimi Abachari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Fatih. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir et Maimouna journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Fatih. À la présentation, je suis Fatih Zakari. Bonsoir à tous. La région de Maradi a accueilli le 25 mars un forum transfrontalier Niger-Nigeria. niger nigéria niger sur la lutte contre le banditisme armé dans la bande ouest du Niger, rapporte le site de l'agence nigérienne de presse. Selon cette même source, le forum concerne la région de Maradi et les États de Katina et Zamfara au Nigeria. Il vise donc à créer un espace de dialogue et de concertation entre les communautés des deux pays en vue de l'installation d'une paix durable dans cet espace. Je commence avec euh, Maimouna Diado. Maimouna, donc euh, que doit-on retenir euh, de cette rencontre ce qu'on doit retenir de cette rencontre, c'est que d'abord l'initiative est bien accueillie. maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que euh, à la fin, donc, les engagements qui seront pris par les deux parties, euh, par les uns et les autres, puissent être euh, concrétisés. Et il est bien beau de se réunir pour euh, espérer avoir la paix, mais comment est-ce que la paix peut revenir s'il n'y a pas un engagement des uns et des autres C'est ça aussi. Donc, comme vous l'avez si bien dit, Maradi s'est fait frontière avec le Nigeria mhm. et c'est tout à fait normal que les États qui sont au niveau donc, du Nigeria, Zamfara et, et Katsina puissent être impliqués, puisque nous savons qu'il euh, y a des poches d'insécurité dans cette partie donc euh, de, ces, de ces régions. Il y a l'insécurité et cette insécurité est en train de s'infiltrer au niveau de la région de Maradi. Mhm. Donc il faut que les deux parties, ça veut dire les Nigériens donc du, côté de Maradi et euh, du Nigeria, mhm. pour ce qui est des deux villes, puisse vraiment s'accorder, et euh, s'entretenir véritablement sur les enjeux, qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'il faut faire, pour ramener cette paix mhm. euh, transfrontalière. Donc, euh, c'est vraiment tout ceci et je pense que c'est une très belle initiative et que de temps à autre, il ne faut pas seulement se limiter à cette première rencontre, il mhm. faut élargir cette rencontre pour que tout le monde puisse donner son opinion. Voilà moi ce que je peux retenir de cette rencontre de Maradi. Arimi Abachari, que doit-on retenir de cette rencontre Bon, euh, je ne dirais pas que c'est une rencontre de plus. Mhm. Euh, c'est d'autant que de part et d'autre, euh, les gens sont concernés par cette insécurité-là. Mais comme on le constatera bien, il y a un acteur essentiel qui n'est pas là, c'est ce qui cause l'insécurité. Et donc les deux parties qui sont victimes euh, se retrouvent, mhm. euh, mais c'est pour juste vraiment, je dirais, euh, échanger des informations, peut-être s'entendre sur une des actions conjointes. voilà. sinon, on sait tous que les principaux ceux qui causent, ceux qui volent les animaux, ceux qui tuent ne font pas partie de cette rencontre-là. Et c'est pourquoi ils font, euh, ils agissent de cette manière, c'est ça qu'il faut savoir. Euh, comme on le dit, euh, j'espère que ça va venir dans un très proche avenir pour que les gens s'asseyent autour du table, de la table avec eux et pour qu'ils disent pourquoi ils font ça et pourquoi ils vont s'engager de ne plus faire. Parce que sinon, oui, c'est bien que euh, le Nigeria et le Niger se retrouvent autour d'une table où vraiment les États de Katina, de Zamfara et de Maradi se retrouvent autour d'une table pour en parler. Mais je crois que ce n'est pas, ça ne, je ne sais pas si ça peut vraiment apporter euh, quelque chose de substantiel dans le cadre de la paix recherchée pour cette zone-là du Niger et du Nigeria. Donc je me dis que c'est comme quand ici, par exemple, au Nigeria, on sait que la plupart de ceux qui, vraiment les gens qui, qui interviennent pour tuer, pour voler, pour piller, c'est généralement des Nigériens. Ok, oui, donc parler avec les autorités nigériennes, avec la société civile, ainsi de suite, c'est important. Mais comme Boko Haram. On sait que la plupart, en tout cas, jusqu'à jusqu'en 2015 au moins, les gens venaient du Nigeria pour attaquer. Bon, est-ce que le Niger et le Nigeria et le Tchad n'étaient pas déjà en collaboration Donc le forum, oui, parce que c'est important d'en parler, c'est important de dire des choses. Il faut aussi impliquer euh, Voilà, mais il faut trouver les voies et moyens pour parler, en tout cas pour influencer l'autre partie. Et le forum, je ne sais pas si ça peut influencer vraiment. Hussein Issa, êtes-vous optimiste euh, quant à la concrétisation d'une concertation entre ces deux communautés Bon, mais est-ce que ces deux communautés qui se bagarrent C'est ça le problème. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'Arimi vient de dire. Moi, ces histoires de forum-là, des réunions, de ceci, de cela, où des gens qui n'ont rien à voir. Peut-être qu'ils sont loin de l'affaire. Ils sont pas, comment dire, ils sont victimes de la belligérance. Mais ceux qui posent ces actes-là, vous pensez que ce forum va leur dire quelque chose Ils viennent, ils volent les bétails. Ils prennent des gens en otage. Ils demandent de l'argent. Vous pensez parce que des individus se sont réunis pour échanger sur les modalités, c'est ça qui va leur, empêcher ou c'est ça qui va les... Non, Ils pour réunissez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire. Discutez de ce que vous avez envie de dire, Mais nous, nous allons continuer. Créons les conditions pour savoir exactement ces gens-là. Je suis tout entièrement d'accord avec Armi, qui viennent, qu'on puisse au moins identifier, ne serait-ce que des responsables qui peuvent venir pour poser les problèmes, pour qu'on puisse trouver des solutions. Autre forum a se tenu euh, le 25 et 27 mars à Tilia, région de Tawa et à Tilabiri la paix et la coexistence pacifique entre les communautés. La sécurité et le développement durable étaient au centre des échanges. Mais alors <laughs> quelle autre appréciation faites-vous de ces initiatives donc, pour les régions touchées par l'insécurité euh, Bon, pour ce qui est de la région de Tilabéry, nous savons que cette région est affectée depuis 2017, euh, c'est ça 2017. Mais est-ce que là, un forum euh, peut résoudre le problème au niveau de la région de Tilaberi La région de Tilaberi, en fait, parce que quand on regarde le forum, la salle, la salle peut prendre combien de personnes Et à ce forum, moi, je n'ai pas entendu, en tout cas, les plus concernés, ça veut dire les plus vulnérables à cette insécurité. Et qui sont ces plus euh, vulnérables Oui, les femmes et les jeunes, surtout les femmes. Je, n'ai pas entendu la voix de ces femmes, en fait, parce que ce sont des décisions qui incluent également ces femmes. Donc, si au moment où se tient le, forum, il y a des attaques un peu partout, aux alentours euh, euh, de cette région de Tilabiri, moi je ne vois pas euh, en quoi la nécessité d'organiser un forum. La nécessité, tout le monde connaît aujourd'hui c'est quoi la nécessité. C'est de venir à bout de cette insécurité. Et maintenant, pour venir à bout de cette insécurité, on l'a toujours dit, c'est d'organiser nos forces de défense et de sécurité, de leur donner les moyens de combattre cette insécurité. Mais ceux qui sont dans, ceux qui étaient au forum, mais ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Mais est-ce que véritablement même celui qui est venu les écouter peut s'engager, en tout cas à côté de ces gens-là, de ces personnes-là, qui ont dit ce que eux ils ont sous, le cœur, de résoudre le problème. Ça sera difficile. Donc, ça veut dire que c'est tout simplement un forum de plus. Arimi Abachari, quelle appréciation faites-vous de ces initiatives pour les régions touchées par l'insécurité et aussi quels peuvent être les enjeux de ces rencontres Si j'ai bien compris pour euh, Telaberi et Tawa, c'est vraiment des Nigériens qui se sont retrouvés autour de, la table, n'est-ce pas, des ressortissants de cette euh, région-là, des acteurs vraiment qui vivent euh, sur le terrain, mhm. qui, se sont réunis pour en parler. Mhm. Euh, comme je le disais tantôt, c'est toujours bien de s'asseoir autour de la table pour échanger des informations, pour se dire des choses. Au-delà, à Tilaberi, je pense que c'est une très bonne chose parce que euh, chaque région, c'est plusieurs communautés. Et malheureusement, il est arrivé que certaines communautés, n'est-ce pas, ou vice-versa, s'auto-accusent, s'accusent entre euh, elles mhm. pour dire que non, c'est les ressortissants de telle communauté qui s'en prennent à telle. Ça, c'est essentiel qu'on a qu'on aplatisse mhm. vraiment euh, les différents, qu'on se dise que non, l'ennemi il n'est ni pour telle ou, telle autre communauté, l'ennemi œuvre pour lui-même. Ça, c'est important, je crois que Parce que c'est des communautés qui vivent euh, depuis des dizaines, des centaines, voire des centaines d'années ensemble. Pourquoi exactement en ce moment il y a ce problème Qu'il y ait des membres de ces communautés ou pas parmi les, agresseurs, mm-hmm. ça ne doit pas enlever un brin vraiment euh, de la confiance qui a toujours régné entre ces communautés-là. J'espère qu'ils ont euh, su se dire ces réalités-là, euh, qu'ils ont su se dire la, ces vérités-là, et que l'ennemi, il faut aller le chercher ailleurs. Il est là-bas, il roule à moto. Il roule pour lui-même et peut-être pour sa proche famille. Souvent même, ce n'est même pas vrai. Mhm. Donc, c'est de l'autre côté qu'il faut aller chercher l'ennemi. Je crois que ça peut concilier, concilier, les gens, mhm. faciliter euh, le, vivre ensemble entre ces communautés-là. Je pense que ce euh, c'était pas mauvais en soi que Tawa, parce que Tawa aussi, c'est vraiment les Nigériens qui se sont retrouvés. À Tilaberi, mhm. c'est la même chose. Oui, on peut parler de ça pour que les gens ne s'accusent pas les uns les autres pour dire que non, c'est parmi nous. Non, il y en a qui sont complices de ce qui se passe, alors que en principe, non. Oui, Arimé, quels euh, peuvent être les enjeux autour de ces rencontres on, avait l'enjeu de taille, c'est la question vraiment euh, de vivre ensemble. C'est-à-dire, est-ce que les gens, euh, on les met, ils sont ensemble mm-hmm. Est-ce qu'il y a des raisons qu'il n'ait pas confiance entre eux. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est essentiel. Si ils ont parce que en ce qui semble, il y a eu beaucoup de communication, euh, des, vraiment des intellectuels, des chercheurs, euh, des connaisseurs de la territoire ont eu à parler. Et je crois que c'est pour un peu remuer cette fibre vraiment euh, de ce qu'ils partagent ensemble, à savoir vraiment ce terroir commun depuis des dizaines, des centaines d'années que les gens sont ensemble. Je crois que c'est ça le plus important. Passons à présent au second point de ce forum de la presse. Le gouvernement nigérien, en fin de semaine dernière, a procédé au rapatriement par deux vols de 1063 Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar. Au Sénégal, c'est un reportage d'une télévision sénégalaise qui a, qui a relevé qui a révélé l'affaire montrant des mendiants qui errent dans les rues de Dakar. Selon une source de l'ambassade du Niger au Sénégal contactée par le studio Kalangou, la majorité de ces mendiants est constituée d'enfants dont l'âge varie entre 0 et 15 ans. Cette opération de rapatriement est l'une des mesures urgentes prises par les autorités face à cette pratique de mendicité dans d'autres pays voisins. Ousseini Issa, quelle appréciation faites-vous de cette mesure prise de l'immédiat par le gouvernement Moi, j'ai dit, par rapport à ce genre de phénomène-là, interrogeons les causes profondes. Qu'est-ce qui pousse les gens Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à quitter chez lui pour aller quelque part là bon, dans un premier temps, c'était l'Algérie, c'était un peu la Libye, avant l'effondrement de la Libye. Parce qu'on peut considérer que là-bas, il est possible de se faire beaucoup plus d'argent. N'est-ce pas Mais maintenant que des gens se lèvent pour aller jusqu'à Dakar, jusqu'à Dakar, même le fait de transport fait autour de 100 000 par la route. N'est-ce pas Ça veut dire qu'il y a des causes, il y a des raisons <laughs> profondes. Mais bon, ça a scandalisé. Parce que on a montré à travers des images, voilà des Nigériens qui quittent chez eux là-bas. Avec, des enfants, des femmes et tout et tout. Des accompagnants, des hommes, pour aller chercher de l'argent. Et qui sont là sur le pavé à Dakar en train de courir, là où il y a des véhicules qui roulent à 100 à l'heure. C'est choquant. Ils les ont fait revenir. N'est-ce pas On dit on va les ramener dans leur euh, localité. Ok, on va les ramener. Mais maintenant, comment faire pour les maintenir Parce que toute la problématique est là. Les histoires concernant l'Algérie, bien avant que la fête de Dakar ne soit révélée, en Algérie, déjà, on a rapatrié plus de 1000 la semaine. 1000 1000 mm. Oui, Hussein Issa. Alors, euh, quel suivi en vue d'empêcher leur retour quel suivi? Quel suivi les gens ont trouvé de quoi manger. C'est des opérations où des gens vont trouver leur compte. Voilà ma conviction. Voilà ma conviction parce qu'il y a quand même, euh, comme avait dit, une loi qui a été prise qui criminalise le trafic humain. Mm-hmm. Un temps, à Gadez, on a pris des gens, les passeurs et tout et tout. On a un peu euh, intimidé, les gens ont arrêté, mais ça a continué par la suite. Parce que le problème de ce pays, c'est qu'on initie quelque chose, on commence dans un premier temps, au bout de quelques temps, tout le monde oublie et tout le monde ferme les yeux. Et ça prend encore de l'ampleur. On va les ramener tantôt Kankier, tantôt on a dit quelle autre localité là Magaria, on va les ah, ramener. Ok, d'accord. Vous les avez ramenés. Vous allez mettre derrière chaque migrant là un policier pour dire bon, surveille cette famille là. Vous, avez cette possibilité là de pouvoir mettre des policiers pour pouvoir surveiller la difficulté là. Et posons le problème en face, regardons le problème en face. C'est quoi Parce que à l'époque, c'était un phénomène vraiment marginal. Aujourd'hui, ça a pris une autre dimension. C'est devenu un peu de hein. souci. Où les gens ont transformé la mendicité en commerce, une activité lucrative. Voilà, Maimoune Gado. Alors, euh, quelle appréciation faites-vous euh, de cette opération de rapatriement donc, entreprise par le gouvernement nigérien D'abord, euh, Fatih, j'étais scandalisée. Quand j'ai vu ça euh, sur la chaîne, euh, la télévision sénégalaise, qu'on montre des femmes surtout, et de nombreux enfants, des petits-enfants, de 0 à 15 ans. De 0 à 15 en train de manger dans la, dans la ville de Dakar. Et qu'on voit que, en fait, il y a plus de, femmes que d'hommes. Maintenant, c'est un réseau qui est là. Parce que les vrais, les, personnes vulnérables sont là. Et le fait que ce réseau est en train d'organiser ces, ces, hommes et ces femmes vers la mendicité, les prendre pour les amener là-bas, pour quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'est jamais parti à l'école, qui n'a jamais, qui ne sait même pas où se trouve Dakar, comment est-ce que cette personne peut se retrouver de l'autre côté si ce n'est pas un trafiqué là. Donc, l'État du Niger les a ramenés, rapatriés euh, au Niger. Mais comment est-ce que l'État du Niger aujourd'hui, le gouvernement compte faire pour empêcher que ces mêmes personnes ne retournent, cette mhm. fois-ci pas à Dakar, mais dans un autre pays Parce qu'on on, a, a beau décrire cette situation, les femmes, je me rappelle de Kanchi, c'était d'abord les femmes qui partaient en grand nombre. On a essayé d'organiser ces femmes en coopérative en leur donnant les moyens de faire au moins les cultures de contre-saison, de, de, faire les travaux manuels pour pouvoir rester sur place. Mais on constate qu'à chaque fois, c'est la même région qui est touchée c'est les mêmes localités de ces, les femmes de ces mêmes localités et de ces hommes qui y vont encore <laughs> en migration. Mais il faut se poser la question. <laughs> Parce que moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, Memouna, nous allons à présent écouter Arimi Abachari, le porte-parole du gouvernement, a, au cours euh, d'un point de presse à Niamey, indiqué qu'il s'agit plutôt d'un trafic illicite de migrants et de la traite des personnes organisées par des groupes criminels en direction des pays voisins et même au-delà. Alors, euh, qu'en pensez-vous D'abord, n'oublions pas que nous sommes dans un pays, notre propre budget national. Mm-hmm plus de 40%, c'est l'aide extérieure. OK Maintenant, au-delà, après avoir vraiment apporté cette euh, précision-là, mm-hmm. si on veut résoudre ce problème, il faut bien poser, comme on dit, un problème correctement posé et à moitié résolu. Mais cette histoire de trafiquants-là, mm-hmm. si on ne met pas ça à l'écart pour dire que ce qui peut pousser la souris à rentrer dans le feu est plus chaud que le feu, on ne va jamais résoudre ce problème-là. Euh, moi, je suis allé à Kantier plusieurs fois et j'ai beaucoup discuté avec euh, ces personnes qui effectuent les déplacements Mais pour quand le problème s'est posé avec l'Algérie, ici, jusqu'au premier responsable du pays, les gens ont dit non, euh, c'est du trafic de personnes. Les camions qui, les, les, 4x4 qui amènent les migrants ramènent des armes. Quand on pose faussement le problème, on fausse la solution. Ah, il y a des zones aujourd'hui dans la région de Zender, notamment vers Kanté, où la pression de la population a atteint un seuil où il est quasi difficile d'exploiter la terre un maire d'une des communes s'est confié à moi, j'ai mis ça dans un film d'ailleurs, il disait qu'ils sont à 13 habitants au kilomètre carré. Alors que la moyenne dans notre pays, tout le monde sait que c'est nettement en deçà de 7, mhm. habitants au kilomètre carré. N'est-ce pas Les femmes te disent que leurs maris ne peuvent pas cultiver au-delà de 7 jours leur champ parce que c'est des portions de terre qu'ils ont comme ça, tout petit. Après, on ne peut pas cultiver pendant sept ans, sept, sept jours et entretenir une famille pendant, avec la, récolte, entretenir une famille pendant un an. C'est concret. Avant, les populations de cette zone-là partaient au Nigeria, qui pour faire du commerce, qui pour vraiment faire des travaux vraiment euh, physiques, n'est-ce pas, et rapporter quelque chose à leur famille. Aujourd'hui, on en a parlé il y a quelques instants, ça ne va pas dans le nord Nigeria. Tout le monde le sait. Les gens là partaient en Libye pour ramener, ils travaillaient. Même aujourd'hui, il y a plein de Nigériens qui travaillent là-bas, ils ne m'en disent pas physiquement et qui rapportent des choses. Ce n'est plus possible en Libye. Qu'est-ce qu'il faut faire Sur quoi faut-il mettre l'accent La réalité, euh, c'est que ça ne va pas. Vous avez vu sur les 1063, n'est-ce pas à part deux de Myria et deux de Tanout, tous sont de Magaria et de Kanchi. N'est-ce pas C'est deux communes voisines, deux départements voisins. Autrement dit, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut prendre le taureau par le corne et l'affronter. Ils te disent qu'ils ont de l'eau dans leur sous-sol, mais ils n'ont pas les moyens de la lever. Les, gens ont fait des, feux de paille, ils ont jeté de la poudre aux yeux pour dire qu'ils ont donné, créé des coopératives. Moi, quand je suis allé, les deux coopératives que j'ai vues, de, 20 femmes euh, chacune, on leur a donné des trucs pour faire transformer. On leur donne d'abord l'arachide qu'on leur donne à transformer et importer, n'est-ce pas Et le matériel est inadéquat parce que euh, c'était tout était cassé et elle elles, utilisaient des mortiers pour battre les arachides. Donc, c'est concret, c'est un problème qui se pose dans ce pays. Il faut résoudre partout au cas par cas. Ils mhm. n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'animaux, ils ne peuvent pas rester. Il y en a qui sont riches parmi les, malheureusement, parmi les mendiants. N'est-ce pas On m'a montré une vieille qui aurait un célibatérium, une, une, autre... De la mendicité. Qui, oui, et qui continue à mendier et une vieille, euh, une autre personne qui aurait un moulin, euh, des trucs comme ça, mais qui continue à mendier. Mais ça, ce n'est même pas 1%, je suis convaincu. Mhm. L'essentiel des personnes qui partent, n'est-ce pas, sont dans les besoins. Et malheureusement, c'est chemin faisant que ça devient euh, un métier, malheureusement pour eux. Comme elle l'a dit, d'abord, beaucoup n'ont pas été à l'école, ils ne savent pas faire grand-chose. Et la peur du lendemain étant là, ils ne peuvent que continuer à mendier. Il faut éviter que tous ces enfants qui partent avec eux, n'est-ce pas, se, professionnalisent dans ça. Mais, tel que les choses se font dans ce pays aujourd'hui, une partie de nos frères, enfants et autres, ils sont avec les terroristes. N'est-ce pas C'est pas euh, l'agresseur était au début peut-être euh, étranger, mais aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes sont aussi dans ça. N'est-ce pas La même chose, beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui vont tendre la main. C'est les deux choix qu'ils ont. Puisqu'ils n'ont pas de boulot, où est le travail Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils restent Si tu n'as pas de champ, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas appris un métier, n'est-ce pas Tu fais quoi et l'État qui est absent en termes d'accompagnement. Mais il faut, il faut créer, mhm. vraiment, il faut analyser ce problème-là au fond. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Confier aux chercheurs, vraiment aux sociologues, faire le travail de fond. Le Nigérien était fier, non Le Nigérien est fier jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens sont plus choqués parce que c'est le Sénégal et que c'est un pays avec lequel on partage beaucoup de réalités. Mais écoutez, ça dépasse l'émotion, cette affaire. Il faut le régler depuis sa source, vraiment la racine, il faut savoir c'est quoi. Ces personnes-là qui partent aujourd'hui, il y a quelques années, étaient aussi tout fiers, n'est-ce pas, d'être de leur localité, d'être fils de tel, d'être celui-ci. C'est tout le monde, le sentiment est peut-être normal, mais il faut le régler. Il ne faut pas accuser quelqu'un pour dire non, c'est les gens qui les transportent. On les, on les ramène en avion. Mais si on les ramène, qu'est-ce qu'on leur propose Les gens, les, femmes, les du quartier, quand tu les rencontres, elles te disent on se sent chez nous dans une prison. elles ont envie de partir. Donc retenez-les. Qu'est-ce qu'elles veulent faire c'est un pays, c'est notre devoir, c'est le, devoir vraiment de la nation, aussi vraiment de sauver d'une situation, même si c'est pour de l'intérêt vraiment un peu euh, machin qu'ils le font, il faut les sauver. Il faut les sauver et c'est l'État qui doit faire ce travail. Ce n'est pas quelqu'un. Les ONG ne peuvent pas, n'ont pas les moyens, il ne faut pas croire. Nous passons à présent au troisième euh, sujet du forum euh, de la presse euh, de ce soir. Le président de la République, Abbas Mohamed, a procédé le 23 mars dernier à l'inauguration de deux amphithéâtres et à la pose de la première pierre d'un amphithéâtre de 2000 places à l'université Abdou Dioufo de il s'agit à travers ces investissements de doter l'UAM d'infrastructures aux normes de qualité pour le développement de l'enseignement supérieur. Hussein Issa, de soulagement pour les étudiants de l'université Abdou Moumouni oh, En fait, le discours a cessé de me dire quelque chose dans ce pays. Ça, c'est facile. Je peux choisir les mots que je veux pour embellir un peu et puis séduire mon auditoire. Mais ça ne absolument rien du tout. Ouf de soulagement. Mhm. Quel ouf de soulagement. On s'est levé un beau matin, on dit non, non, non, on va démultiplier les universités. Il faut que chaque région, sans pouvoir faire des calculs de faisabilité, comment dire, des projections et tout et tout. On est allé prendre des locaux de quelque part, on a dit, partout on va mettre des universités on, on va décongestionner un peu mhm. parce que l'université de Niamey ne pouvait pas continuer. Mais on s'est mis à démultiplier les universités. Alors qu'on pouvait se contenter dans un premier temps, renforcer les capacités des universités qui ont été créées à l'intérieur, progressivement avec les ressources. On, on s'est levé un bon matin, on dit non, il faut que chaque région dispose de son université. Une bêtise. Une bêtise, une grosse bêtise. Il y a des universités aujourd'hui, je n'ai pas besoin de citer, où ils squattent dans des, des, des comment vais dit, des, il n'y a pas de site véritablement pour ces universités-là, n'est-ce pas Maintenant, on dit le problème qui se pose à l'université de Niamey, il y a le problème de, comment vais-je dire, d'abord le problème d'infrastructure, de, de, d'infrastructure, mm-hmm. n'est-ce pas Bon, Bazoum il a inauguré deux hangars où on dit tente marocaine, amphithéâtre. Alors, en quoi ça va régler le problème Il a posé quelques briques. On dit, bon, il y aura 2000 places, un fil de 2000 places. Celui qui l'a précédé, il avait promis de renforcer les capacités de l'université. Il a passé 10 ans. <laughs> On peut compter sur le bout des doigts ce qui a pu être fait comme réalisation au profit de l'université. N'est-ce pas Pendant 10 ans. Maintenant, bon, il faut sortir un peu de ce schéma-là. Moi, je vais montrer que je, je tante marocaine. Tante marocaine. On dit en en plus. Tante marocaine, en Comment peut-on dire à des tantes qu'on peut considérer que c'est des amphis On dit, bon, durée de vie 5-7 ans. Amphi. Alors, quand on regarde un peu de pris la chose, on se pose des questions. Quand on crée les, les amphis, les amphis qui sont là, c'est les amphis, quand ils rentrent, quand bien même il n'y a pas l'entretien nécessaire et tout et tout, on sent que c'est des choses qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. On va construire des choses, des infrastructures qui vont durer 7 ans. C'est-à-dire, au bout de 7 ans, il faut encore reconstruire, il faut encore dégager de l'argent. Parce que tout simplement, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de projection par rapport aux infrastructures. On voit les choses grandir, on voit les flux chaque année augmenter, mais on ne se projette pas pour pouvoir créer les infrastructures, pour pouvoir créer. Parce que dans tous les cas, les gens font de parallèles. Chaque fois, on dit Ah, la natalité, la mm-hmm. faute natalité. Qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Dans tous les pays du monde, les gens naissent tous les jours parce qu'il y a une société appelée à se rajeunir, Qu'on dise non, c'est à cause de la forte natalité et tout et tout. C'est des faux fuyants. C'est parce que tout simplement, l'argent public là est mal dépensé. Il y a des secteurs prioritaires aujourd'hui. qui prennent la santé, qui prends l'éducation. Les gens l'argent public pour s'enrichir personnellement pendant que les besoins sont là dans le secteur de la santé, de l'agriculture, un peu partout. On crée des structures, on dit c'est pour aider les paysans. Les paysans ne voient rien. Rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on veut, On veut développer ou on veut aider, créer les conditions pour que les gens s'enrichissent. alors, euh, comment le gouvernement doit-il accompagner les universités publiques euh, pour qu'elles puissent euh, honorer leur engagement hum comment est-ce que l'État doit accompagner ces universités hmm. publiques D'abord, comment est-ce que l'État doit faire pour créer les conditions d'accompagner l'école publique nigérienne C'est ça aussi la question. Parce que les universités font partie de l'école publique nigérienne. Maintenant, est-ce que ces étudiants-là, est-ce que c'est vrai, il faut à chaque fois peut-être venir dire que euh, pose, euh, de, euh, pose pierre pour, mhm. la construction d'amphithéâtre. Mais il faut regarder d'abord les conditions d'études. Les conditions d'études de ces, de, de, ces étudiants d'abord. Il faut essayer de voir aujourd'hui les, mêmes les bus qui les transportent. Comment est-ce que ces étudiants se retrouvent dans ces bus-là C'est des bus, on dirait que ces étudiants sont des sardines. Parce que les bus sont tellement remplis que tu es obligé de t'accrocher à quelque chose pour ne pas tomber. Maintenant, on fait des infrastructures. Mais est-ce que avec ces infrastructures, on essaie d'améliorer les conditions de vie et d'études de ces étudiants Parce que, comme l'a dit Hussein, mhm. chaque région, on a dit maintenant, il faut aller vers euh, créer les universités. Aujourd'hui, tout le monde sait comment les universités, même Tawa, Difa, je, pense bien, Tilaberi, ces universités sont en train de, de, de, dans la misère. Il n'y a pas de conditions, ni de vie, ni de travail. Si aujourd'hui l'université de Niamey a peut-être est meilleure, plus meilleure que les autres universités qui sont dans les autres régions. C'est parce que c'est Niamey. Mais nous pensons que l'État doit s'efforcer de regarder la réalité de l'école nationale, l'école publique. Parce que quand on regarde l'école publique, du primaire jusqu'à l'université, il n'y a plus, en tout cas, la qualité qui sort de ces écoles. Parce que les moyens ne sont pas, en tout cas, à la hauteur de ces élèves-là, de ces étudiants-là. Les étudiants, on dit que c'est des étudiants qui deviennent des, des enseignants-chercheurs par après. Des étudiants aujourd'hui qui n'arrivent même pas, on dit agronomie. Nous, on ne voit pas ce que les étudiants en agronomie sont en train de faire. <laughs> en train de réfléchir pour le Niger, pour le pays. on, regarde, quand on regarde, par exemple, dans les autres universités, <laughs> au Burkina, Dakar, on voit ce que les étudiants réalisent. Mais ici, est-ce que les moyens sont mis à la disposition de ces étudiants-là qui veulent, par exemple, faire de l'agronomie est-ce que les moyens sont mis à la disposition de ces étudiants-là pour pouvoir faire quelque chose, pour réfléchir à quelque chose. Déjà que les enseignants chercheurs que nous avons, parce que j'ai entendu le président de la République mhm. incriminer ces, euh, enseignants chercheurs pour leur dire que la faute aussi incombe à ces enseignants chercheurs, parce que quand ils n'ont pas leur salaire à temps, ils vont en grève. Mais c'est un droit aussi. Donc, il faut créer les conditions pour que ah ces enseignants ne partent pas en grève. Est-ce que vous avez quelque chose Oui, bien sûr. À bien écouter euh, Ousseini, ça y est, les universités aussi ont leur classe en paillote. C'est autrement dit vraiment des solutions de facilités qui ont été trouvées. Or, euh, le véritable problème euh, auquel vraiment les gouvernants doivent faire face, c'est que il y a des secteurs dans la vie d'une nation qui doivent être nécessairement prioritaires. C'est le cas de l'école et malheureusement, ce n'est pas prioritaire. Euh, l'école euh, est à moins de quoi à 10% euh, dans le budget du pays, n'est-ce pas Et en même temps, des gens se plaignent qu'on fait beaucoup d'enfants n'est-ce pas Alors que tous ces enfants qui sont à l'université ne sont pas nés pendant qu'eux, ils sont au pouvoir. Ils sont déjà là. Donc, avant même de postuler pour être président, pour avoir le pouvoir, être ministre d'un pays, c'est déjà, ces enfants-là, on sait qu'on doit les prendre en charge. Autrement dit, nos gouvernements doivent fermer les yeux, prendre leur courage à deux mains pour résoudre le problème de l'école en investissant de façon efficiente, mais abondamment. C'est le seul moyen de lutter, euh, de, régler le problème de l'école et même le problème qui les dérange, qu'on ait beaucoup d'enfants, c'est la seule façon de, la, de les régler. C'est-à-dire, on ne dépasse pas les scolaires du Nigeria aujourd'hui au Nigeria qu'on critique tant, il y a plus de 20 millions de scolaires, c'est sûr. Nous, on est 20 millions. Et les pères, et les mères, et les enfants. N'est-ce pas, d'habitants et on n'arrive pas à régler. Mais sincèrement, les gens ils ne mettent pas les moyens, n'est-ce pas Ils mettent les moyens là où ça les intéresse, là où ça, avantage les leurs, et ils, regardent, faire. Mais sincèrement, euh, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de classes, beaucoup, beaucoup d'universités, c'est bien. Mais il faut que ça, les universités répondent à titre vraiment d'université. Donc, euh, aujourd'hui, tellement on n'a pas réglé le problème de l'université la plus ancienne de Niamey qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe en réalité ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'université de Difa Je sais qu'il y a un recteur, un vice-recteur, qu'il communique par rapport à l'environnement et tout, je sais, n'est-ce pas Mais où sont les étudiants qui sortent depuis N'est-ce pas Où est-ce qu'on les a affectés Où est-ce qu'on les a orientés tout ça. Donc c'est vraiment un problème, le problème de l'école en général, mais aussi de l'université mérite d'être pris à bras le corps par nos gouvernants. Ils doivent être courageux. Il ne faut pas vraiment se plier aux exigences des, partenaires. Des, partenaires. Bah, je, vais, juste ajouter quelque chose pour le compléter parce qu'il est question aussi de recruter des enseignants, 170 ah, enseignants. Voilà, alors. enseignants. Mais moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait parce que la politique dans ce domaine-là, cette politique-là, l'État a créé une situation où on bloquait les étudiants qui avaient envie d'aller se former au doctorat. Moi, je sais de quoi je parle. C'est notre temps, on sait. Je sais de quoi je parle. Très bien. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont trouver ce nombre-là qu'ils sont en train de solliciter, de vouloir recruter Ils avaient mis fin à la coopération technique où des Blancs venaient enseigner. Ils avaient mis fin à tout ça et on a créé en même temps une politique où il fallait systématiquement bloquer. Allô on est dans une situation où aujourd'hui, on a besoin d'enseignants, mais où les trouver Où Où Et le sport euh, pour euh, terminer ah. ce forum euh, de la presse. Les cinq pays qui représentent le continent africain à la Coupe du monde de football Qatar 2022 sont officiellement connus. Il s'agit du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, du Maroc et de la Tunisie, Admien Abakari. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces pays qui porteront donc le flambeau de l'Afrique au Qatar Mais Écoutez, euh, sincèrement, euh, d'abord, il faut faire. Je suis Camerounais en football là. J'aime bien le Cameroun et j'étais triste euh, juste avant de dormir de voir que le Sénégal était, l'Algérie était sur le point de se qualifier parce que je supportais le, euh, le Cameroun. Mais euh, il faut savoir aujourd'hui la composition de toutes les équipes africaines, que ce soit le Sénégal, le mhm. Cameroun, euh, le Maroc, la Tunisie ou le Ghana. Mhm. La composition de ces équipes-là, les joueurs qui les composent ont les moyens de compétir vraiment, de à, faire, de faire jeu égal vraiment avec euh, n'importe quelle équipe euh, au monde. Mhm. Euh, bon, malheureusement, le football, comme on le sait, il y en a dont le dossier est vieux n'est-ce pas Si tu prends le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne et même la France aujourd'hui, ils sont sur beaucoup de plans en avance sur nous. Mais euh, je pense que cette fois encore, on pourrait peut-être aller en quart de finale. Ça dépend du tirage qui va se faire demain. Mhm. Parce que le tirage euh, pour la phase finale, les groupes seront connus euh, demain. Mais on a des, vraiment de très belles équipes, de très grands joueurs aujourd'hui. Le Cameroun, le, Sénégal compte à son sein le meilleur gardien du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde avec euh, Sadio Mané. Et même tous les autres postes sont occupés aussi par des joueurs, pas des moindres. Je pense que on a le moyen de tutoyer, de faire jeu égal avec euh, toutes les équipes du monde entier. Maintenant, est-ce que c'est possible est-ce que nous serons dans les mêmes réalités quand on est dans un contexte comme, comme quand une équipe comme le, Nigeria peut se faire euh, éliminer vraiment n'importe comment, ou la Côte d'Ivoire, malgré euh, sa qualité de joueur qui compose l'équipe, peut être éliminée dès le premier tour de la Cannes. On ne sait pas. Mais euh, toujours est-il que le football africain est en nette évolution et je pense que nos équipes... Euh, comme disent les Hausa, suna et Asukai, Abon Azo Agani. Je n'ai pas grand chose à dire. Moi, je suis seulement content. Il y a trois pays subsahariens. <laughs> Et il y a deux machin, c'est équilibré. C'est équilibré. Bon, l'Égypte, c'est une belle équipe. Voilà. C'est tout. Je souhaite vraiment qu'ils puissent nous émerveiller. Mais je n'ai pas grand chose à dire parce que. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu. Merci à nos invités. Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative. Hussein Issa, journaliste indépendant. Memounegado, journaliste indépendant à la présentation Fatih Zakari. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs. Téléspectatrices et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Merci à la technique et assurée par Mustafa Ayouba. La régie est assurée par Issa Lawali. Au revoir.